le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam Studio Kalangou, il est 18h17 minutes. C'est l'heure du forum au micro. Hamadou Moumouni, bonsoir. Le programme du studio Kalango sont diffusés à Niamey, relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Kabalewa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Et en ce lundi 4 juillet, c'est encore la région de Difa qui retient notre attention. Quelles mesures de sécurité pour une zone en proie aux attaques de Boko Haram à l'occasion de la fête de Ramadan le gouverneur de la région rassure que toutes les dispositions sont prises pour que les populations fêtent dans la paix et la sécurité. Les ressortissants de la localité d'Ingal résidant à Niamey s'organisent pour venir en aide aux populations sinistrées. Ils ont même confectionné des t-shirts sur lesquels il est écrit Nous sommes tous Ingal. Le maire d'Ingal, Sidi Mohamed Maman, nous entretiendra sur cette initiative de soutien à sa localité. Et puis nous irons à la découverte du centre de traitement ambulatoire CTA de Niamey. C'est un centre qui prend en charge les personnes infectées de VIH. Quelques 2000 patients y sont actuellement traités, mais le CTA fait face aujourd'hui à une insuffisance d'un certain nombre de produits essentiels. Docteur Nou Yakuba, le responsable, prévient si d'ici quelques mois rien n'est fait, la situation peut s'empirer. Oui, Difa, comme toutes les autres régions, s'apprête à fêter la fin du mois de Ramadan, mais à la différence des autres, elle fait face à des attaques depuis un certain temps des éléments de la secte Boko Haram. Alors, les dispositions sont-elles prises pour que cette fête ait lieu dans la paix et la sécurité C'est entre autres questions que notre correspondant de la région a posées au gouverneur. Celui-ci rassure que toutes les dispositions sont prises pour qu'il en soit ainsi. Cependant, il appelle les populations à être vigilantes et à dénoncer tout individu suspect. Déjà, nous nous sommes réunis au niveau du, gouvernement. Donc, comme d'habitude, nous avons pris toutes les mesures sécuritaires pour assurer la sécurité des, personnes qui vont assister à cette euh, fête. Donc, euh, euh, vraiment, du point de vue sécuritaire, tout est mis en œuvre. D'habitude, c'est les deux mosquées à Difa. Donc les deux mosquées aura suffisamment de défense, de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des populations. Néanmoins, je, précise que la sécurité, c'est pas seulement l'affaire des FDS, c'est aussi l'affaire de la population. Donc euh, nous allons, nous, appelons au centre du civisme de la population. Donc, avec que s'il voit des, des, personnes suspectes, si vous n'avez pas confiance, euh, l'autorité est là, les forces de défense sont là, informez-les, c'est pas, c'est pas une mauvaise chose de dénoncer. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter, n'ont qu'à sortir prier. Franchement, euh, en tout cas, on s'est réunis, je vous ai deux fois, euh, pour bien euh, cadrer la zone. Et vous savez, dans cette situation de, de on ne peut pas dire qu'il y a des risques zéro. Mais vraiment, nous avons mis tous les moyens, tous les moyens, je dis, pour assurer la sécurité de la population. Mais je reviens sur le fait qu'il faut la collaboration, il faut collaborer. Si vous voyez quelqu'un qui est suspect, vous n'avez pas confiance, ou bien un colis qui vous semble un peu suspect, vraiment c'est d'informer l'autre. Monsieur Lugo, comment se porte la région à ce, jour ben, Je peux vous dire que ça va. La, la, région se porte de mieux en mieux, et vous-même vous le savez. Et... Inch'Allah, ça c'est le début et ça ne va que progresser et tout va aller pour le mieux. Alors, Bosso, les gens sont en train de repartir. Eh, écoute, Bosso, moi, la dernière fois, je vous disais qu'il est occupé à 85% des autochtones. Et ceux qui ne sont pas retournés, je pense qu'ils vont le faire bientôt. Et la, sécurité est là-bas, l'armée est là-bas. Donc, euh, est une ville normale comme toutes les villes fort. Alors, monsieur, euh, on essaie à la de la fête. Votre message de fête Ben, écoute, euh, c'est un message de paix. Et dis dit à toute la population de, de, de, et que Dieu le Tout-Puissant fasse en sorte que l'année prochaine, à un moins que ce qu'on a connu. Voilà le gouverneur de la région de Difa qui rassure les populations sur leur sécurité, surtout à l'occasion de la fête de Ramadan. Après Difa, nous allons à Ingal, où, suite aux inondations qui ont touché considérablement la population, les ressortissants de cette localité résidant à Niamey ont confectionné des t-shirts sur lesquels est écrit Nous sommes tous Ingal. L'objectif de cette initiative est de soutenir les sinistrés d'Ingal. D'autres explications avec le maire d'Ingal, le Sidi Mohamed Maman, joint au téléphone par China Assouman. C'est une initiative en tout cas qui est partie des ressortissants d'Ingal à, à Niamey. Et franchement, nous saluons cette initiative-là parce que cette initiative-là aujourd'hui, elle est partie au-delà, au-delà des, ressortissants. Elle est devenue une initiative nationale ou même internationale parce qu'il y a même nos diasporas de l'extérieur aussi qui, qui sont intéressés par cette initiative-là. Je pense que c'est vraiment une initiative que nous saluons parce que au moins c'est une initiative qui qui nous soutient, qui soutient cette population, qui euh, a, Quel est l'objectif euh, vraiment visé par cette initiative Bon, l'initiative, euh, certainement, je vous ai dit que c'est une initiative qui n'est pas en tout cas partie d'Ingal, mais c'est une initiative qui est partie des ressortissants d'Ingal qui sont en Niamey. Mais aujourd'hui, cette initiative est partie, je vous dis, elle est devenue une initiative nationale parce qu'il y a des gens au niveau national aussi qui, soutiennent Ingal à travers ces t-shirts-là et au niveau international aussi, nous avons notre diaspora. Et je pense que l'initiative de, de, cette initiative-là, c'est pour dire aux sinistrés, aux gens d'Ingal, à la population entière d'Ingal, nous sommes avec vous. En tout cas, ce message-là, c'est comme ça que je l'ai perçu, moi, en tant que maire Ça veut dire que c'est un soutien, une façon pour aider les, victimes, les sinistrés Oui, effectivement, dans leur, entendement, c'est pour, euh, pour engendrer, c'est pour avoir, de, vendre les t-shirts et pouvoir euh, regrouper des sous, de l'argent pour essayer d'aider les sinistrés. En tout cas, c'est comme ça que nous avons compris ce soutien-là. Où est-ce que l'initiative a commencé à apporter ses fruits en tout cas, sur euh, les flux que nous savons qu'actuellement, en tout cas, il y a beaucoup de gens, il y a de, beaucoup de gens ou sur le plan national comme international qui ont été sensibilisés à travers, à travers ces soutiens, ces t-shirts de soutien, parce que tout celui qui voit ces soutiens-là, euh, qui voit ces t-shirts-là, il se demande au juste, mais pourquoi, euh, pourquoi nous sommes tous ingal Et là, certainement, il aura des, explications pour qu'il il, essaye de soutenir aussi à sa manière. Au niveau local, est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à acheter les t-shirts non, au niveau, au niveau, en tout cas au niveau d'Agadez, il y a beaucoup de gens qui, ont, acheté ces, t-shirts-là. Nous, au niveau local même, elles ne sont pas, elles ne sont pas arrivées jusqu'à présent à Ingad. Mais en tout cas, à Agadez, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés pour nous demander est-ce que réellement ces t-shirts-là peuvent aider en quelque chose de euh, les Nous pensons que oui, parce que si c'est de bonnes volontés qui ont voulu faire ça pour essayer d'aider, euh, surtout que c'est des ressortissants. L'idée fait partie des ressortissants lingales. Donc, directement, c'est leurs parents qui sont touchés. Certainement, c'est pour aider les populations sinistrées En dehors donc de ces ressortissants, est-ce qu'il y a d'autres bonnes volontés ONG qui ont commencé à se manifester en, faveur des populations dingal Non, rien qu'hier, il y a eu, euh, y a eu d'abord, ah, ah, après l'État, bien sûr, parce qu'il y a l'État qui a intervenu pour 65 tonnes de riz. Euh, actuellement, il y a 33 qui sont arrivés et jusqu'à présent, il reste 32. Donc vraiment, euh, il y a après, il y a eu des associations, des fondations. Il y a eu une fondation islamique, euh, Charity International, à travers la fondation islamique au Niger ici. Il y a eu Iman, Iman International aussi qui ont, qui ont fait des distributions hier. chacune d'elles 15 tonnes de, de riz pour pour euh, Fondation Internationale et 15 tonnes de riz et plus du sucre et du lait pour HAI euh, euh, qui est, qui actuellement qui a son siège à Zender. Donc c'est pour vous dire que vraiment il y a des ONG qui ont intervenu, en tout cas dont nous saluons la promptitude de leur de Quand il y a, y a, une une inondation ou bien quand il y a une catastrophe, souvent ça ne dépasse pas une semaine. déjà on oublie vite. Mais nous pensons que cette fois-ci-là, les gens, il ne faut pas qu'ils en oublient quand même les cas de Ingel qui d'ailleurs continue avec même les dernières pluies. Nous avons eu quelques, nous avons recensé encore d'autres cas parce que, en fait, c'est des maisons qui sont déjà en banco avec la première pluie, c'est déjà, elles sont devenues les maisons sont devenues très, très, très faibles ou, comment dire, elles ne tiennent plus. Et après, elles se sont effondrées. Certainement, il y a eu d'autres cas aussi dans les brousses. Donc vraiment, c'est une situation où nous souhaitons que les gens continuent à essayer de soutenir cette population-là. Il ne faut pas qu'on soit dans l'oubli. Et bien merci, déjà, le gouvernement a envoyé une mission, une grande mission conduite par le ministre Boucha y a vu les dégâts et nous espérons que certainement il y aura des, programmes de reconstitution de cheptels, des programmes de développement qui vont suivre. Et déjà, nos, partenaires des Nations Unies, à travers les et l'UNICEF, aussi, ils ont, intervenu. Le maire d'Ingal, euh, joint par notre reporter euh, Asman China et euh, Sidi Mohamed Maman, nous a fait le point sur le soutien aux populations sinistrées de sa localité. Studio Kalangou à 18h27 minutes. Nous revenons à Niamey pour faire, pour vous faire découvrir le CTA, le Centre de traitement ambulatoire de Niamey. Il prend en charge les personnes infectées de VIH. Quelques 2000 patients y sont actuellement traités. Mais le CTA fait face à d'énormes difficultés, des difficultés liées notamment à l'insuffisance d'un certain nombre de produits qui sont essentiels dans le traitement des patients. Docteur Nou Yakuba, le responsable, prévient si d'ici quelques mois rien n'est fait, la situation peut empirer. Je vous propose de le suivre. Le centre de traitement ambulatoire, c'est un centre, comme son nom l'indique, qui produit du traitement pour les personnes infectées par le VIH. C'est un centre qui a vu le jour euh, le 23 janvier 2004 grâce à une convention entre l'État du Niger et la Croix-Rouge française donc ce euh, centre a travaillé sous cette convention jusqu'en juillet 2009. À cette date, il y a eu le retrait de la Croix-Rouge française et le centre est exclusivement à la charge de l'État du Niger depuis cette date-là. Donc on fait le dépistage et la prise en charge des personnes qui sont dépistées séropositives. Uniquement les personnes euh, vivant avec le VIH Oui, exclusivement les personnes vivant avec le VIH. C'est un centre spécifique. Bon, Aujourd'hui, le ministère de la Santé a fait de ce centres un centre de référence en matière de prise en charge du VIH au Niger. Dans quel état se trouve votre centre actuellement Bon, le centre, c'est un centre de l'État, hein. comme toutes les structures étatiques. Euh, dans l'ensemble, ça va, mais il y a des hauts et des bas, comme on dit, mais depuis, certes, il ne faut pas se les cacher. Depuis le retrait de la Croix-Rouge française, en tout cas, les choses piétine, voire euh, sa grippe, si on peut l'appeler, mais c'est que sur l'État, il est en train de faire de, de, son mieux de temps en temps, mais dans l'ensemble, en tout cas, les malades arrivent à trouver leurs médicaments, sauf quelques difficultés qui peuvent apparaître de temps en temps, parfois liées à certaines lenteurs administratives ou bien à certaines lenteurs dans les exécutions des différents marchés d'approvisionnement des traitements. Alors, euh, si on essaie de faire peut-être le bilan, vous avez pu venir en aide à combien de malades Depuis la création du centre, le centre a enregistré du, de la date de son ouverture en janvier 2004 jusqu'au 8 mai 2014, on a enregistré 5000 patients dans ce centre-là. C'est pas tous les 5000 qui sont sous traitement. C'est vrai, il y a certains qui sont décédés, il y a certains qui sont transférés, il y a certains qui sont de perdus de vue. Mais actuellement, on a plus de 2000 patients qui sont sous traitement. Il y a d'autres patients qui sont pas sous traitement, mais qui sont suivis. Puisque le problème, c'est pas parce qu'on est infecté qu'on est systématiquement traité. Peut-être d'ici quelques temps, on tend vers là, mais pour l'instant, on n'est pas arrivé là-bas. On a à peu près plus de 2000 patients qui sont sous traitement antirétroviral dans ces centres. Comment se passe ce traitement, la prise en charge de ces 2000 patients Bon, la prise en charge de ces 2000 patients, c'est vrai, il y a une équipe euh, pluridisciplinaire, donc il y a des médecins qui sont là, l'assistante sociale, il y a des infirmiers. À un moment, on avait des psychologues, mais malheureusement, notre psychologue a eu une promotion, il est parti depuis son départ, euh, il n'a pas été remplacé. Donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe de ces malades-là. Tant bien que mal, en tout cas le traitement est assuré par l'État grâce surtout à des partenaires, puisqu'il faut aussi les dire la plupart, voire 80%, voire au-delà des médicaments que nous donnons à nos patients c'est de médicaments fournis par nos partenaires. Vous avez tout à votre disposition. On ne peut pas dire qu'on a tout, mais bon, c'est que sûr, on a, on a les minimums quand même pour travailler. On a les minimums pour travailler, donc puisqu'on peut faire le bilan initial pour savoir est-ce que la personne est éligible au traitement, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est pas parce qu'on est infecté par le VIH qu'on doit systématiquement avoir le traitement. C'est vrai, l'OMS, dans ses dernières recommandations, ils sont dans la vision de l'éradication du VIH et pour atteindre cette vision, il faut dépister et traiter. Ça veut dire d'ici peu, le temps que l'État du Niger adopte cette recommandation, toute personne infectée, selon le l'OMS, doit être systématiquement traitée, quel que soit l'État. Or, le Niger n'est pas encore arrivé là, mais actuellement, il y a un projet, un atelier d'accélération du traitement antirétroviral et de la prévention de la transmission mère-enfant qui est en cours de l'élaboration, en tout cas qui sera bientôt prêt d'ici la fin de ce mois de juillet. Là. Tous les 2000 patients ont ce qu'ils veulent de vous Bon, les 2000 patients, pour l'instant, ils ont ce qu'ils veulent de nous, mais c'est que sur... Il y a quelques difficultés des médicaments au niveau de notre centrale d'approvisionnement qui est l'unité de gestion spécifique qui est actuellement basée à l'ONPPC. Donc il y a certaines molécules qu'on n'y en a pas assez. C'est vrai, on ne peut pas parler de rupture, mais si on ne fait pas attention, peut-être on tend vers là, mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. J'espère que les autorités chargées d'approvisionnement, en tout cas, feront tout de leur mieux pour nous épargner vraiment à ce qu'on arrive à cette catastrophe. On parle d'ARV Les ARV, c'est les antiretroviraux. C'est que je viens de dire les combinaisons, parce que le problème, il y a des molécules individuelles, comme il y a des molécules sous forme de combinaisons. Donc la plupart de nos ARV sont des molécules sous forme de combinaisons, que ce soit les médicaments les arrivées de la première ligne ou les arrivées de la seconde ligne, la plupart sont en combinaison fixe qu'on peut donner en une seule prise ou bien qu'on peut donner en deux voire trois prises. Mais actuellement, les traitements sont en train d'être simplifiés puisque le maximum de prises par produit ou par combinaison de produits, ça ne dépasse pas deux prises. C'est une à deux prises au maximum des antirétroviraux que la personne peut prendre. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à un malade qui manque ces produits que vous venez de citer Bon, le manque, euh, c'est que ça peut engendrer vraiment des problèmes dans l'avenir du patient, dans les, puisque c'est surtout des problèmes thérapeutiques que ça peut engendrer, puisque le manque de médicaments peut entraîner des résistances. Or, si ça entraîne des résistances, ça veut dire que la personne va beau bien prendre ses médicaments, puisque déjà une résistance, les médicaments ne vont pas bien marcher sur le virus. Ça veut dire que le virus va continuer à faire sa progression au sein de l'organisme humain et que le patient un jour finira par tomber malade malgré qu'il prend ses médicaments. C'est vrai, le Niger est en train de s'atteler pour mettre à disposition de nos patients la troisième ligne qui n'est pas encore d'actualité. C'est vrai, il y a un certain nombre de patients chez qui le besoin s'est fait sentir. On a identifié ces patients grâce à une ONG qu'on appelle Expertise France, qui au moment où elle avait mené cette étude pour étiqueter ces personnes qui en ont besoin, elle s'appelait JPSTER. Bon, malheureusement, pour des problèmes de finances, si on peut l'appeler ainsi. Ces molécules n'ont pas vu, qu'il faut se dire, c'est des molécules qui coûtent excessivement cher. Il n'y a pas l'air générique pour l'instant. Donc, ce pas des molécules qui sont génériquées. Donc, c'est vraiment des molécules qui coûtent cher, très très cher. Où une seule boîte peut te faire pratiquement les 700 ou 800 000 francs. Donc, le, traitement de vos patients, normalement, c'est gratuit au Niger C'est gratuit puisque l'État a déclaré la gratuité. Actuellement, pour l'instant, ce sont des partenaires qui appuient l'État. Moi, personnellement, ça, c'est mon point de vue personnel que je donne. C'est pas le point de vue de l'État. Le jour où ces partenaires se retirent, je ne sais pas si l'État va continuer vraiment à assurer la gratuité de ces médicaments vis-à-vis -vis de ces patients-là. Puisque c'est des médicaments qui coûtent cher. C'est vrai, la maladie VIH, on tend vers l'éradication, il faut aider les patients, mais bon, on espère que ça va continuer, que l'État va prendre ses responsabilités pour que ça continue. Vous, vous êtes en manque de certains de ces produits. Comment les patients ressentent ce manque Bon, c'est pas un manque en tant que tel. Il faut nuancer. On est en insuffisance. Manque, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Pour l'instant, il y a des médicaments, mais il n'y en a pas assez. Donc, ça veut dire que si on ne fait rien, c'est là qu'on va vers le manque. Pour l'instant, il y a une petite disponibilité. Je pense que si des dispositions sont prises, attendre d'ici deux, trois mois. Peut-être ça va éviter ces manques-là dont vous venez de dire. Mais pour l'instant, on n'est pas en manque. On est vraiment dans le cas d'insuffisance. J'espère que cette insuffisance sera rapidement corrigée pour qu'on ne pas vers le manque dont vous venez de dire. Comment les patients ressentent cette euh, insuffisance. Ils peuvent rien faire, hein. donc ils sont obligés de subir. Hein, pour les patients qui vont bien, qui sont asymptomatiques, qui ne présentent aucun signe de la maladie, d'habitude on leur donne trois mois de médicaments par rapport à ces molécules dont nous sommes en insuffisance. Mais actuellement, vu la rareté de ces molécules, on est obligé de donner un maximum deux mois de médicaments pour des gens qui viennent de très loin, en espérant qu'avant leur prochain rendez-vous, que les choses vont essayer de s'améliorer. Parfois, on est obligé de subir puisqu'on ne peut rien faire. Non seulement c'est des molécules que les gens ne peuvent pas se l'acheter, bon, il y a certains qui ont le moyen qui peuvent s'en acheter. Et même si tu as le moyen de t'en acheter, il faut que tu en trouves disponible sur le marché. Or, vous connaissez les pharmaciens, c'est des commerçants, ils ne vont pas acheter des produits dont ils savent bien qu'ils ne vont pas les vendre. Aujourd'hui, il y a des arrivées, si tu veux, tu vas auprès d'une officine, tu lances ta commande, ils vont lancer la commande, ça va prendre un temps et puis ça va venir. mais entre-temps, euh, leur état peut se, dégrader Pas, pas de sitôt, puisque le problème pour des gens qui sont au top, j'entends par le top, ça veut dire les gens chez qui la multiplication virale est maîtrisée, l'immunité est restaurée, même si vous abandonnez un traitement antirétroviral, c'est que sur vous allez mettre deux mois, voire un an ou deux ans avant que le virus ne prenne le dessus de votre organisme. Vous souhaitez combler ces insuffisances d'ici quand Sinon, c'est pas bon. Non, ça c'est pour moi dans le plus bref délai. C'est pas à moi de voir, parce que il y a des autorités qui sont chargées de l'approvisionnement. Je pense que c'est à eux. Dans tous les cas, c'est un problème, à mon avis, hein, je pense qu'ils sont déjà au courant. Et les patients aussi sont déjà au courant qu'il n'y en a pas assez. Je pense que bon, c'est un cri d'alarme qu'on lance pour que les gens puissent prendre les dispositions vraiment pour qu'on n'en arrive pas là. Vous avez commencé déjà à faire l'alerte En tout cas, les responsables de prise en charge du ministère de la Santé sont informés de cette insuffisance-là. Je pense qu'ils aussi, à leur niveau, ont remonté l'information, puisque moi, je prends la tâche avec ma hiérarchie. Donc, maintenant, les partenaires, bon, peut-être ils sont au courant, mais dans ces questions il y a des autorités au-dessus de nous qui sont chargées vraiment de bien mener ce dossier-là. Voilà, docteur Nou Yakuba, le responsable du centre de traitement ambulatoire de Niamey. Ce centre prend en charge les personnes infectées de VIH. Un mot sur le rapport sur euh, la situation de l'enfant euh, un rapport publié mardi dernier par le Fonds des Nations Unies, UNICEF. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport en ce qui concerne le Niger C'est la question que notre reporter Laurent Ibrahim Gadou a posée à Sidi Moussa, le coordinateur de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, connu de Niger. Voici sa réponse. Le rapport sur la situation de l'enfant 2016 dans le monde est sorti. Que pouvez-vous nous dire par rapport au cas du Niger Le cas du Niger n'est pas différent du cas des autres pays dont le rapport a fait mention. Le rapport met un accent particulier sur l'égalité des chances entre les enfants. Pourquoi l'égalité des chances entre les enfants Le constat qui est là, c'est qu'il y a des inéquités, il y a des injustices sociales et il y a également une bonne catégorie d'enfants qui est marginalisée qui n'est pas en tout cas touché par les actions directes des pouvoirs publics, tant dans le domaine euh, par exemple de la survie et développement de l'enfant, je veux faire cas ici à la santé, tant à l'accès à l'éducation, tant à l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, tant à une alimentation saine, tant également à un environnement protecteur et tant aussi aux loisirs. Qu'est-ce qui fait cela Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est d'abord les politiques nationales. Il est quand même inadmissible que dans la plupart de nos États africains, la jeunesse constitue en tout cas près de 70% de nos populations. Mais il se trouve que dans la définition des politiques et programmes, cette frange de la population-là n'est malheureusement pas impliquée. Ça, c'est un premier aspect dans le choix des politiques et programmes qui ciblent donc ces jeunes, ces enfants-là. Deuxième chose, c'est également la volonté politique des États. Beaucoup d'États, malheureusement, ne mettent pas les ressources budgétaires conséquentes dans les secteurs vitaux, tels que la santé, tels que l'éducation. Comme vous m'avez posé la question sur le Niger, par exemple, en matière d'éducation, l'engagement que nos autorités actuelles ont pris, c'est d'allouer le quart du budget. Le quart du budget s'entend 25% du budget. Aujourd'hui, on est loin de ce compte-là. Quand vous prenez dans le domaine de l'agriculture, il y a des engagements qui ont été pris. Dans le domaine de la santé, des engagements ont été également pris. Mais l'un dans l'autre, aucun de ces engagements n'a été respecté. C'est vrai, il y a cette absence de volonté politique, mais à côté de cette absence de volonté politique, une autre donne est venue se greffer, qu'on appelle souvent les cas de force majeure. C'est le contexte sécuritaire dans lequel aujourd'hui vivent un certain nombre de pays, dont malheureusement le Niger. Donc beaucoup de ressources qui auraient pu aller dans les secteurs sociaux vitaux pour booster effectivement cette équité entre les enfants-là, vont malheureusement dans l'effort de guerre. Et cela, je pense, que a beaucoup aussi impacté. Un autre paramètre, c'est le fait qu'il n'y a pas souvent une prise de conscience éclairée des communautés elles-mêmes sur leurs obligations vis-à-vis des enfants. À ce sujet, qu'est-ce qu'il explique réellement C'est l'analphabétisme. Quand on a des populations qui sont à 90% analphabètes, je pense que ça peut expliquer en bonne partie cela, parce que analphabétisme rime également avec pauvreté. Donc ces deux facteurs combinés peuvent amener les parents à ne pas mesurer souvent le bien fondé de l'éducation, le bien fondé par exemple de la fréquentation des formations sanitaires ou par exemple le bien fondé d'une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que ceux qui sont instruits ont beaucoup plus un niveau de vie de qualité, connaissent beaucoup plus ce que c'est que l'hygiène et l'assainissement, connaissent beaucoup ce que c'est qu'une bonne alimentation équilibrée, et ils savent aussi quand on est malade, le premier réflexe, c'est de fréquenter les formations sanitaires, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ne sont malheureusement pas instruits ou qui ne sont pas alphabétisés. L'autre chose qui peut expliquer cela, quand vous prenez par exemple deux enfants dans deux contextes différents, le rapport l'a si bien dit près de 69 millions d'enfants risquent de mourir avant leur cinquième anniversaire. Qu'est-ce qui explique cela Les facteurs sont connus. C'est que c'est des enfants qui sont nés dans des milieux très défavorisés, où ils n'ont pas accès à une alimentation saine, où ils n'ont pas souvent accès à des soins de qualité, où même si les formations sanitaires existent, les plateaux techniques ne sont pas garnis pour pouvoir effectivement fournir les prestations de santé auxquelles les populations aspirent. L'autre chose, c'est également cette formule de la gratuité de soins aux enfants de 0 à 5 ans, qui malheureusement, le cas spécifique du Niger, tend à être aujourd'hui banalisé parce qu'il y a de fortes ardoises de l'État vis-à-vis des formations sanitaires et du coup, dans les milieux les plus reculés, les enfants, à chaque fois qu'on les réfère dans les formations sanitaires, c'est sanctionné par des ordonnances. Or, près de 50% de notre population qui vit sous le seuil de pauvreté avec un dollar par jour ne peuvent pas se permettre malheureusement ce luxe-là et ils prennent ça comme une fatalité et du coup ça a des incidences fatales sur les enfants. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui il est clair, nos États à eux seuls, il est difficile dans le contexte sécuritaire actuel de pouvoir faire face aux besoins vitaux des communautés, en particulier des enfants. Et c'est pourquoi le rapport incite à beaucoup plus au développement des partenariats. Ici, le développement des partenariats s'entend la collaboration avec la société civile, s'entend avec la collaboration avec les collectivités territoriales, s'entend également avec la collaboration avec le secteur privé, tant national qu'international, pour que dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, ces entreprises-là puissent comprendre qu'elles ont une obligation de pouvoir également avoir des actions sociales vis-à-vis -vis des enfants. Et de l'autre côté, par rapport aux collectivités, c'est qu'elles doivent avoir des plans de développement communaux qui doivent être également centrés sur les besoins fondamentaux des enfants, notamment en termes de suivi de développement, en termes de création d'espaces de loisirs, en termes d'éducation de qualité. Aujourd'hui, on a une éducation de qualité, mais quand même qui est au rabais, plus qu'on quitte les centres urbains vers les zones les plus reculées, normalement les villages, les hameaux il y a tout cela qui constitue des facteurs qui font que des inégalités se creusent de jour en jour. Et le rapport a été clair. Près de 167 millions d'enfants au monde, si rien n'est fait, entre 2016 et 2030, risquent de vivre dans une extrême pauvreté. Et comme la pauvreté est un cycle intergénérationnel, il risque de le perpétuer aux générations futures et vous le multipliez par 4, par 5, finalement on finira par avoir pratiquement une bonne partie de notre continent avec en tout cas des enfants pauvres. Enfants pauvres, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'aurez pas la capacité de faire développer vos aptitudes et développer vos aptitudes, il faut le faire à travers l'éducation. Et une fois que vous développez ces aptitudes-là, ça veut dire que vous êtes capable de créer la richesse. Tant pour vous-même, pour que votre situation sociale change, mais également pour votre village, pour votre communauté et pour votre pays. Or, quand c'est le sens inverse, vous devenez une charge pour la communauté, pour la famille, mais pour le pays également. Coordonnateur, donne le rapport, on dit que quelques millions d'enfants meurent dès qu'ils viennent au monde. C'est des enfants souvent qui naissent hors des formations sanitaires. C'est des enfants dont les mamans souvent n'ont pas cette possibilité de faire les consultations postnatales. C'est des enfants souvent qui, une fois mis au monde, les plateaux techniques ou dans les formations sanitaires, il n'y a pas les médicaments qu'il faut pour pouvoir les aider à être dans une bonne croissance. Et l'autre chose, c'est que comme c'est des enfants qui sont nés dans des milieux défavorisés où la plupart des parents sont analphabètes, ils ne mesurent pas l'importance de la fréquentation des formations sanitaires. Mieux, ils n'ont pas aussi l'alimentation de qualité requise nécessaire au plein épanouissement, à la survie, au développement de l'enfant. Il y a aussi le cas de réfugiés et enfants qui est cité dans le rapport. Quel est ce lien Ici, on fait bien allusion aux crises et conflits malheureusement qui se déroulent un peu partout sur notre continent et qui, euh, dans son lot, dans son corollaire de victimes, fait des déplacements massifs de population, dont majoritairement les femmes et les enfants. C'est des enfants qui sont déplacés de leur milieu habituel de vie, qui sont souvent scolarisés, qui ont souvent leur champ, qui ont souvent en tout cas leur espace de loisirs et qui se retrouvent dans des camps de réfugiés. Donc leurs droits fondamentaux souvent sont violés. D'abord le droit à leur vie, parce que quand on parle de camps de réfugiés, on parle aussi de conflit. C'est dire que dans cette euh, dimension-là, les enfants n'ont pas accès au droit à l'éducation, au droit à la santé, au droit à une bonne alimentation, au droit aux loisirs, au droit à la protection et aussi à cette vulnérabilité très malheureusement pour les jeunes filles, surtout adolescentes, d'être données de manière précoce en mariage, souvent forcé. Qu'en est-il de l'objectif 2030 qui est cité dans le rapport. Il s'agit beaucoup plus des ODD, des objectifs durables de développement. Vous savez que après les OMD, c'est les ODD qui ont pris la place et là le focus est véritablement mis sur 15 ans pour qu'il puisse véritablement être question de lutter contre l'extrême pauvreté, contre les inégalités. Parce qu'on a compris que les OMD avaient des limites et que les ODD ont été de manière très spécifique et je pense que ça interpelle les pouvoirs publics dans les choix judiciaires des projets et programmes, mais aussi dans l'utilisation des ressources. Avez-vous de chiffres pour le cas du Niger Une des difficultés de notre pays, c'est l'absence de statistiques, malheureusement. La seule statistique aujourd'hui courante, euh, c'est que le Niger est en tête de peloton sur la problématique du mariage des enfants. Les sources parlent de 75%, d'autres parlent de 77% des enfants qui sont mariés avant l'âge de 18 ans, dont d'ailleurs le rapport de l'UNICEF en a fait cas c'est une véritable préoccupation. Comment briser ce cycle-là pour que les gens en parlent et que les jeunes filles puissent avoir la liberté Parce que une fois qu'on donne la chance à la jeune fille de pouvoir étudier, elle a la latitude d'être autonome et d'avoir la capacité de discerner et de faire un choix éclairé. En ce moment, on ne pourra pas lui imposer un mari qu'elle n'a pas librement choisi. Et je pense que le défi aujourd'hui, c'est comment scolariser la jeune fille, mais également comment la maintenir dans le système éducatif. Le coordonnateur de la coalition des organisations nigériennes de droits de l'enfant, Koni de Niger et Sidik Moussa, dressant la situation de l'enfant dans le monde en général et au Niger en particulier à l'occasion de la publication du rapport mondial sur la situation de l'enfant par l'UNICEF. Enfin, il y a deux semaines euh, de cela, le Royaume-Uni, euh, le royaume s'est retiré de l'Union européenne à la suite d'un référendum populaire. Désormais, l'Union européenne ne compte plus que 27 membres. Comment analyser cette sortie euh, du Royaume-Uni de l'Union européenne Cette sortie aura-t-elle des conséquences négatives ou positives pour les pays africains en général et pour le Niger en particulier Pour mieux en savoir, notre reporter Alassane Kouzimamadou s'est entretenu avec Dr Chérif Fako, économiste et enseignant-chercheur à l'université Abdelmoudi de Niamey. Suivons leur entretien. Le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne. C'est la suite à un référendum organisé. Est-ce qu'il y a des conséquences immédiates pour l'Afrique en général et pour le Niger en particulier C'est une situation d'abord complexe pour eux-mêmes parce que quand il y a un divorce, euh, même une séparation du corps avant le divorce, même pour un ménage, c'est un problème. Mais je dirais, je ne vois pas les problèmes comme ce que les médias transmettent comme signaux. Plus encore, je dis que les gens se font davantage peur pour pouvoir crier à l'apocalypse. C'est vrai, il aura des conséquences. D'abord leur intégration en tant que telle vous prenez le cas de l'Angleterre, en réalité, des cinq principes d'intégration donnés par Bella Balassa, ou des cinq étapes, le libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'intégration totale, la Grande-Bretagne ne vérifiait pas certaines choses, à commencer par l'euro. Ils ne sont pas avec l'euro. Ils ont conservé la livre, euh, sterling. Ils ne sont pas partie prenante intégrale des accords de Schengen. Vous pouvez en multiplier les exemples. C'est pour pouvoir dire, il faut que les uns et les autres se rassurent que le processus d'intégration, il peut être, il est à la fois politique, économique et commercial. Mais d'une manière ou d'une autre, les uns, ils ont voté pour le retrait parce qu'ils considèrent qu'il existe des institutions ou des politiques supranationales qui viennent d'en haut et qui ne profitent pas au bas. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas traiter un peuple comme imbécile. C'est-à-dire, ils ont voté, ils ont leurs raisons. Le peuple a toujours ses raisons qui peuvent ne pas être euh, des raisons valables pour certains, pour ceux qui n'y croient pas. Mais si vous voyez les classes qui défendent euh, le maintien, il y a une cassure nette. Mais en gros, ceux qui veulent la sortie, il y a aussi une cassure nette. Mais l'essentiel de l'économie est le fait des décisions de ceux qui veulent le maintien. Donc ça voudrait dire que jusqu'à présent, ça va poser des problèmes. Maintenant, les conséquences pour l'Afrique. Au lieu de penser les conséquences pour l'Afrique, que l'Afrique pense à sa propre intégration. Il ne faut pas toujours compter sur les autres pour pouvoir faire notre avenir. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus utile de se dire aujourd'hui comment faire promouvoir les différentes intégrations qui existent. Le MOA, la CDAO, le NEPAD, tel que ça avait existé et ça avait plus ou moins été le processus par les uns et les autres. Je vais vous dire entre les deux, deux guerres, 14-18 et 39-45, les deux dates-là, il y avait eu un processus extraordinaire qui s'était passé. L'Angleterre s'est réfugiée sur ses colonies, promouvoir le commerce avec ses colonies. Il en est de même pour la France dans les années 30-36. Mais les États-Unis en ce moment-là ont développé la zone dollar. Donc jusqu'à présent, toutes ces formes d'intégration qui se font, c'est par rapport à un schéma qui avait été déjà tracé avec Bretton Woods, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods plus le GATT qui est devenu aujourd'hui OMC. Donc il faut que les uns et les autres fassent attention, qu'ils ne traitent pas davantage les problèmes des autres à cause de ce que nous donnent. Nous nous en sommes reconnaissants. Mais il ne faut pas se baser sur ça parce que la lutte va devenir encore beaucoup plus dure avec la mondialisation. La Chine s'en est sortie. La question que je voulais poser, on sait qu'il y a des, les pays africains ne peuvent pas rester enfermé sans avoir des relations avec euh, les autres continents, les autres mm. unions du monde entier, mm. c'est que les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Afrique ont été fixées par des accords qu'on appelle accords de Cotonou en 2000, avec mm. une série d'accords de partenariat économique entre l'UE, l'Union européenne et les entités régionales du continent africain telles que la CDAO. Mm-hmm par exemple, ces accords ne pourront-ils pas être euh, remis en question euh, et avoir un impact négatif après le départ d'un des partenaires euh, importants de, l'Union européenne Je ne crois pas que l'Angleterre va cesser couper toutes ses relations, pas plus que l'Europe, mais ça sera restructuré. Bien sûr, il y aura nécessairement une légère baisse ou bien une nécessité que cette baisse soit accompagnée d'une meilleure qualité des appuis que les uns et les autres font, parce qu'en économie, quand l'efficacité va se réduire, on va jouer sur l'efficience, c'est-à-dire faire la même chose avec peu de, des, peu de moyens. L'efficacité entend l'obtention des résultats. L'efficience étant l'obtention des résultats à moindre coût. Donc comme maintenant les gens ne peuvent pas, ces pays ne peuvent pas faire, je crois vous faites allusion à l'aide. Donc si l'Afrique doit toujours compter sur l'aide pour pouvoir poser son développement, ça, euh, ça serait une sorte d'horizon euh, en tant que tel. Mais peut-être, et je serais un peu cynique en se disant, si on a moins d'aide par ce phénomène, peut-être on va plus chercher des solutions internes que compter sur l'impact de ce que euh, ça serait. Les gens croyaient que la baisse remarquée même à la bourse, à certaines places boursières, que ça allait continuer. Mais les gens se sont réajusté. Tout semble se stabiliser. Euh, bon, ça semble se stabiliser. Certainement, ça serait différent. Mais les gens, comme ils n'ont jamais eu ce cas, il y a eu toujours le cas de ceux qui adhèrent et non ceux qui sortent. Et à ce que je sache, il a été prévu l'éventualité de sortie, mais c'est le traitement de la sortie qui n'a pas été on parlait justement de l'aide au développement. C'est mm. là où je voudrais en mm. venir. Mm. Euh, la Grande-Bretagne fait partie des trois pays qui, participent au financement du FED, le Fonds européen de développement, après la France et l'Allemagne. Mm-hmm. Donc, euh, l'enveloppe qui est allouée euh, dans, ce, dans fonds risque de, de s'amondrir. Oui, par le biais de l'expérience de l'Union européenne, c'est vrai, pour 100 euh, euros, euh, si mes souvenirs sont bons, vous avez l'Allemagne et la France qui participent pour 50 euh, euros, 50%, grosso modo, grosso modo. Maintenant, on, si la part de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne est retirée, je ne crois pas qu'elle soit sincèrement définitivement retirée à l'endroit des pays en développement. Eux-mêmes, ils vont gérer. Mais euh, j'avoue qu'il est, il est préférable que l'aide soit mutualisée, gérée de façon mutuelle, que de façon séparée, parce que les coûts de gestion de cette aide seront beaucoup plus importants et ça risque de gréver ce que les pays vont recevoir. Mais je dis ceci avec une restructuration de la nature et de l'exécution aussi des, du choix d'abord des priorités d'aide et de la nature de euh, l'exécution. Je crois qu'on peut se rattraper dans le temps et avoir des politiques d'aide beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes et beaucoup plus directes. Voilà, l'économiste et enseignant-chercheur à l'Université Abnoumoun de Niamey, Dr Shirf Chakou, expliquant les conséquences pour l'Afrique de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ainsi s'achève ce forum du 4 juillet 2016. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles sur les mêmes fréquences. Bonne soirée.